Savon la main vous offre votre série Maîtresse d'un homme marié. Savon la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Sénéguinja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Seni by pour l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. <laughs> Savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Laza, la Sénégalaise de l'automobile, votre concessionnaire représentant de grandes marques au Sénégal depuis 40 ans. Autorent, la référence qualité dans la location de voitures au Sénégal. Andelen ak l'écran ngir bu neex And ak ak calcium yu baax ci yaram ak seeni l'écran begel bi livre des centaines de produits pour simplifier votre quotidien jaba.sn abracajaba et c'est réglé Jabba livre sous 24 heures à Dakar et 72 heures en région. Jabba.sn. Abracajaba. Et c'est réglé. Uniparco Cosmétique. Vivez votre beauté. Exprimez votre différence. Evans S2 bu batterie bu 3800 mAh à capacité bu 32 Go. Events S2 Dal un téléphone bi xew mën ngeen ko am de ci bépp redistributeur ak revendeur bu marque Evans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 Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. lu bees tax yegg si na am na citron vert am na citron jaune am na feuille de <laughs> gelato. Touré et Beno Couture. CF, style et couture. Qu'est-ce d'accord Fula jigéen romb ndaanaan romb na la ndax xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam sen nga ko ni mu mel wala li ko sonnal yow moom nga yëg jigéen boo gis ni muy noppee noonu lay muñee jigéen boo gis dajee nga yow ak àdduna yaay. beneen waate nga. oui eh, Malick xale yi lu ñu wut xale yi de seen yaay moom ah, sànq na mu leen di indi dafa am urgence nee seen yaay am urgence te woo ma wax ma ko ban bàyyi xale. Hmm, waa biir ma na ne lépp benn la ah te yow nag sax danga war a xam ne Jalika soxla la sax si boppam pour gérer ba yi fi boppam ah te li liggéey yëpp man xam naa ko te loolu yow sa yoon nekku si. yaay Jalika mooy sama yaayu doom. te man góoram laa. su amee urgence man maa ko nar a du keneen. Hmm, biram tee ngaa noppale ko wax nga naan man góoram laa fii si kaw suuf yaa jëli ko loolu dutul mës am nag boo ko defee sa bopp rek mu leer jàmm am. yéen xamoo leen luy flamme jumelle Jalika dama ko bëgg te loolu foog ngeen dugal ko yéen ñëpp seen bopp te bés bu nangoo dinaa ko taq dinaa xew-xew bu rëy su lee boo nag sa tagal na ko waajal yéen xamoo leen luy sagrin dama sonn waaye. de gestionnaire. Montant de la créance 45 millions. Jalika, eh, faut laisser mon document. Mais c'est quoi ça, Taïro Mais tu es bourré de. Papa. Ah, ma puce. Je t'ai préparé ce petit plat et aussi pour que tu puisses récupérer tes forces. Waouh, merci beaucoup. Hein ça a l'air délicieux xanaa mooy recette bi ma la jàngaloon. non non li mooy si bokk na si plat yu neex yu la maa la doon préparer et aussi yow da nga soxla ko la jàppale soxla woo dugg si ay détails ak wax bu bëri bi dalay sonal. en tout cas ça semble très délicieux ça me donne bien envie de goûter. fii nga nekk di message rek Amidou di prétendre mel ni ku ñàkk fayda xaaju guddi gi dama bëgg nga bloqué kii. pardon dama bëgg nga bloqué doom. Moustapha mais man ak Amidou sekkuñu dara sama xarit kese la. dama ne seen message yi ngeen message rek xaaju guddi neexuma laa wax. waaw d'accord amul problème dootul amati baal ma je vois que toogaay bi toog ci kër gi nii bañ a def dara.

on l'amène à la crèche comme tous les parents dans notre situation en plus ça m'a mi ngi fi ci hors de question. je vais pas rester les bras croisés à cause de ton égo mal placé là nga bébé Khalifa crèche mais ma Djali. pourquoi tu décroches pas sans rappeler j'étais occupée. mais Djali, je me suis inquiétée pour toi c'est tout ce que tu trouves à dire. merci de t'inquiéter mais je suis une grande fille et je sais prendre soin de moi. tu es allé le revoir c'est ça Djali. quoi. Dans quoi écoute Biram ça n'a rien à voir je t'ai demandé du temps pour réfléchir. Et eh. Et tu le sais mieux que moi. Je sais rien du tout, dis-moi. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. cas. Biram, écoute. Ce rapprochement m'a juste permis de me rendre compte que je n'ai que de l'amitié pour toi. Et yow laay déglu. Cheikh nekk duñu xale. ci bu leer. Noura bii di suñu doom léegi mi ngi doon jànq am na loo xamante ne rafetul ci mu koy gis. Hmm. dem beeg ñëw bi mi ngi bëgg a bari. ba tax na nag ma bëggoon nga wax ma lan moo nekkoon say tànk dox ko wax ko ñu jëfee ko léegi. Kalau jarum jaru ngay yeggali xam naa fi nga bëgg a jëm yow xam nga sama mbëggeel ci yow dañul ba tey li ma indi lenn rek la dama la bëgg jëlaat soxna ñu refondé waat suñu famille uuf suñu njaboot mel nañu meloon lenn rek ma ci jaaxaloon dama xamutoon ndax pare nga waye ya, ya? kan ya, hmm. bu dee pare nga rek yaa ko yàgg cheikh yow tamit lan moom war a téye xam nga ni pare naa bu yàgg kon waajale sa bopp waaw bu dee loolu waajalal hmm. sa bopp damay dem voyage pour deux semaines waaye su ma ñibbisee damaa bëgg tey baas yi génn ak musóor yi ak yu baax yi nga daan def du yomb ci yow de je trouve qu'on a bons éléments pour le dossier. Hein. Ouais, je pense que si le docteur accepte de témoigner, le mari va s'en avec une très lourde peine. tant mieux. S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, sont les violences conjugales. Non, mais c'est clair. Mais Dalanda, ce dossier est facile. Je trouve que tu devrais nous laisser, Amidou et moi, nous allons gérer. Et toi, tu vas continuer à te reposer. <laughs> Hors de question. J'ai eu assez de repos comme ça. Je vais m'occuper de ce dossier. Ça me fera prendre l'air. Hmm. Sage décision. Moi, je pense que le travail est un excellent refuge parfois pour nous aider à traverser les moments difficiles qu'on traverse dans la vie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans ce cas, si on se faisait une sortie, on de sait un dîner, avec plaisir. Ouais, ça marche. Bon, je dois vous laisser les filles. Petit truc à régler. <laughs> tu vas voir Raki, hein Yo. Raki. J'ai raté quelque chose, Amédou rien du tout, à part que Regina se fait des films. Ce n'est pas un scoop qu'un avocat devienne ami avec sa cliente. Ouais, ouais, on connaît ça. Mm. Bon, j'y vais. <laughs> Vraiment, il a une attitude bizarre avec euh, Raki. Il l'appelle tout le temps, il passe tout le temps la voir. C'est vraiment louche. Linda. Quoi, Linda Je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite. Il me l'avait présenté une ou deux fois, rapidement comme ça, mais elle ressemble beaucoup à Raki, son ex-femme décédée. Ah, Neysan, je ne savais pas qu'il avait été marié. C'est un sujet assez sensible. Mais bon, t'en fais pas. Ça va lui passer tout ça. Bah, si tu le dis, tu le connais mieux que moi. Alors, comment va notre Miss qui fait sa crise d'adolescence Comme tu peux te l'imaginer, hein, de pire en pire. Mais bon, Vu qu'elle se prend pour une grande dame, là, quand elle sera chez son père et qu'elle verra par elle-même, elle saura en fait ce que je veux lui éviter. Daisan, je n'imagine même pas sa paix..! Instant B, son père est une véritable loque humaine. Ouais, bon, écoute, je crois que c'est l'heure de déjeuner. On devrait y aller, non bi xonk moom macha allah tamaate lingeer dong la ko mën a jox ah day laa tugg sama Allah bi te boo xam am sa chéri boy mu lay nih neex na lol waaye am sa yaay mu lay ceebalit neex na lol ah yow bëgg nga tey de li xam ba jàmm la waaye yaay sa ceeb bi nan naa xonk tey de xonk na ba pare wala bu jeun bu fatta tarac ay toggal sama pa beli tok ah. ya dal yow meun nga wat ne legui lu bax rek ba gay ñun say doom fatte nga man sa taw bu gor nak Cheikh yak biram ba ngeen di do ba tay seen service la nek di len toggal lu neex ngeen di lek di nan ba magatul ni ngeen tol lu bay ba toppatoo sama alaaji asbe d'accord lo ci meuna deg dal man tay fi lay agne ndax nak tay bis la bu makki ma damay takk jabar ya damay jël soxna da ngay takk jabar yaay taxo nak cheikh koy takk sama reenu xol ki ma bëgg ma bëgg ko ki may téré melaw borom musóor yu baax yi borom tay bass yi borom ri jum digg bi ah yow de ki ngay tag xawma ku mu doon ak ku mënti doon munta fexé fexé ba dab ki nga fi jële <laughs> Eh, jarul yàkkamti ah, yaay damay jëliwaat sama yaay doom fonniwaat sama famille. Cheikh loo wax. mais eh, kan tax keneen ku dul laal la. Cheikh naxoo ma. yaay man ndu naa la kuy naxaate wala kuy fo. الحمد لله رب العالمين ايوا دير دفا يلا برب سما خول شيخ دلي بوكو دفي سما خول بدنا سد غوي يا هي يعني توغال تي بي نيو ليك يو كاي تاي مو تاي في اني نو بغ بو بغ خا <laughs> صح ما تك نيو مسيو كي دخل لا ليك كي تي مو دير مدير لا يا واخ لي ما ما فلا تولو صح نيو لوك شيخ <laughs> concentré wu C'est mon forfait expresso est activé. lequel. pour semaine. 700 francs quest que' là? tu as 100 minutes d'appel dont 50 voix xamante Dingti numéro expresso. et voir. Hmm. pas mal bon. Moi, j'étais juste passé voir comment tu vas. Je vais pas tarder. Ah oui..? Mais avant, j'aimerais bien qu'on discute des documents que j'ai vus dans ta chambre hier. Qu'est-ce qui se passe, Taïro Tu dois de l'argent à la banque. <laughs> Quand tu perds ton boulot, tout s'écroule autour de toi comme un château de cartes dama leboon Khalis bu bëri banque pour Kergi, gi sama oto bi ak sama yeneen soxla yu ma doon def te fi mu toll nii waxtu fay bor ma dab et la banque menace de saisir tous mes biens certes c'est très compliqué mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu trouveras une solution. Bonne solution dañ ma dàq sama trouve amatuma une chance pour exercer ce métier que je suis fini Taïro, je comprends très bien les et tu sais quand j'ai été au plus bas dans ma vie tu étais là et tu m'as soutenu. Donc sache que dans cette situation, tu peux très bien compter sur moi. Nous trouverons forcément une solution. Votre série revient après la pub. taabalaa nee ngi nii <laughs> damaa bëgg ngay sangoo ba set wecc ndax dama bëgg soo delloo dëkk ba ñu xam ne toppatoo la. <laughs> Savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Moutarde Chef Aïda, ñamal seet. rendez-vous des créateurs africains. Live Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur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 dugal ci 3w point héritage couture point net wala nga télécharger application Apple Store wala Play Store. Fusneger bazin de qualité fabriqué en Autriche qualité extraordinaire dans de magnifiques coloris très lumineux matière extrêmement confortable. xam nga lan la nag mënoo fexe fexe fexe fexe ba xew mi duma ko xew yow li sama victoire la de couronne la ciy xaar. Diène waa fii yow doo tudd yàlla jaral na la ngay jubile nii man ku ma fekk à mon âge ma ne damay xew lu ma war a wax. kon lan la ni nar waxew nga ne. gis nga leen ni je vais réunir juste la famille et les amis mu jeex tàkk. Hmm. ak yow ni nga mel ci dëkk bi ni nga mel ci dëkk bi yow nga ne doo xew. maak Cheikh nekkatuñu ay xale. daganal rek moo fi des devant Dieu et les hommes loo bëgg leneen man xam naa li ma bëgg jël naa sama traiteur. ak décorateur loo bëgg leneen. moo ne yaa ngi xew di décorateur ak traiteur jàpp ngeen date. bon disons dans deux semaines Cheikh dafay voyager demain bu ñëwee rek ñu dóor ko mu daal. en tout cas daal ak lu mu mënti doon na ngeen gaaw ndax xam nga bët ak làmmiñ te cat moom dafa gaaw fu mu xaju rek lay dugg wax naa lu leer de. lii du sëy sëyaat dong la bu ma sonaan. waa man maa ngi ñëw daw.

mais Binta tu comprends pas Quand xanaa gisoo ni elle fait tout pour retourner avec papa. man mon man histoire bi ça ma dépasse finalement maman a na dëgg suñu yoon nekku ci en plus yaa doon wax que ne papa dafa soxla ku ko jàppale léegi. waaw man maa wax pas avec elle Quand yo, xanaa tu n'es pas consciente que ni moom moo ba papa ak maman divorce. ñun dal nañ jéem a xool ni ñuy maman ak bébé bi pour l'instant mo gën. mais jàppale maman ak papa aussi. Yolande j'aime papa autant que toi. Ok, je vais me débrouiller toute seule comme d'habitude. Avec ton aide ou sans, vais me réunir encore. en tout cas après je vais me di jooy c'est joli. bonjour Lana. bonjour Martha. Finalement, c'est là la boutique. Je vois que la marchandise est bien étalée. Félicitations. <laughs> Merci. Comment tu vas Écoute, ça ira mieux quand je saurai pourquoi beaucoup le Samay appellent. Lala. La femme le mawar, le 10 ou le C'est juste que. Euh, que quoi Nous, mon petit demain, nous, mon petit am. Nous, on mais mon Dieu qui va disparaître du jour au lendemain comme ça. Lala. Mota, je suis vraiment désolée. Ce que tu Mais man ne sais pas rek nan laa la koy il faut qu'on arrête de se voir. pourquoi. <sighs> Martha Cher et moi avons décidé officiellement de se remettre. et que t'as ji décision boobu ñu jël mon gën ci homme, gën ci man gën tamit ci un homme. moi je te sais très sincère tu es un homme vraiment bon à la limite, tu ferais un excellent mari. je ne peux que te souhaiter le meilleur et de trouver ton âme sœur ailleurs. Écoute, je dois avouer qu'il a été meilleur joueur que moi, il a gagné. Je ne peux que vous souhaiter une très belle union et que Dieu vous garde. Merci Lala et au revoir. Au revoir Mata. c'est bon, t'inquiète, je vais, bien, Si, j'ai le actuellement, euh, ne pas. je Ok, merci. Euh, moi, je vais rentrer, il est déjà tard. Euh, s'il te plaît, écoute. je suis lay je n'arrive même plus à me regarder dans un miroir. Tout ce que... Écoute, Taïro, le fait de t'assister, c'est très normal. Et j'essayais de réfléchir à une idée pour tout cet argent que tu dois. Qu'est-ce que tu me conseilles Je te dis d'avance que c'est une idée qui ne va pas trop te plaire. Parce que je sais à quel point tu adores cette maison. Mais est-ce que tu ne voudrais pas réfléchir à la vendre Je sais pas nga jéem a xool un appartement un studio bu descendre booy mën a le temps que nga jappandi ci dara tu sais cette maison c'est le rêve de toute une vie et tu es encore très jeune bon je raconte du n'importe quoi mais tu as la vie devant toi j'en parlais d'ailleurs ça à mon avocat ah bon Wow. et il accepterait bien de jeter un coup d'œil à tous les contrats que tu as signés pour tes prêts. Parce que quelquefois, il y en a de ces clauses, c'est fait expressément pour protéger le client. Je sais pas, mais ça ne coûte rien de l'appeler. Tu sais, franchement, Jalika, je sais pas qu'est-ce que je vais devenir sans toi. <laughs> tu serais mort. Excuse-moi. Allô Allô, Jalika. Oui. J'ai accouché tout à l'heure. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant Rien, je ne voulais pas t'inquiéter. Et tout va bien Tout s'est bien passé. C'est une fille <laughs> Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, on se rappelle plus tard. Ah, oui Mamie a accouché. Elle a eu un bébé. Ah, c'est bien. On se rappelle demain Machallah. Ok, à demain. ci décidément yow daal nee nga do bàyyi Lila landa. bëgg la rek di la wër. Leila naa la poser benn question. lan nga am ci man loo amul ci keneen Leila xanaa moo jëkkër. Hmm, ñaata que xam nga yaa ngi bàkkaar di ma bàkkaar loo. Cheikh bu ma tojal. benn affaire bu tuuti laa la bëgg a wax te moi je suis en train de recoller les morceaux avec mon ex-femme. Mhm. reconstituer waat sama famille. Mhm. jëlaat suma jabar jël sumay doom. Mhm. te nag yaa ma koy bëgg a yàqal dama lay ñaan nga bàyyi ma te nga toog sa kër yem ci sa jëkkër. lu ma yàq yàquma dara man parewuma pour bàyyi sama jëkkër yàquma dara man sax loolu indi mo fi je m'en fous de ça.

Avec plaisir. On s'est bien. série Maîtresse d'un homme marié. Savons la main, l'hygiène et la propreté au quotidien.